le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalangou. le forum du studio Kalamkou le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou. Studio Kalango que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger, pareil dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dalbel et Saï. Le forum de ce soir a pour thème principal les conditions de vie et d'études des étudiants au Niger, quelles sont les principales préoccupations des étudiants sur le plan académique Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent en termes de nourriture, de transport et d'infrastructure Comment faire pour améliorer davantage leurs conditions de vie et d'études Pour répondre à ces questions, nous ferons un tour dans certaines régions du pays pour découvrir ensemble les préoccupations des étudiants à l'intérieur du pays. Et comme invité ici au studio, nous avons avec nous Sita Amidou Diabiri, secrétaire général de, du comité exécutif de l'Union l'Union des étudiants nigériens de l'Université Abdoumoumouni de Niamey, Bonsoir, Sita. Bonsoir. Et Seydou Abdoulaye, secrétaire administratif du Centre national des œuvres universitaires de Niamey. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, je le disais, notre forum d'aujourd'hui traite des questions relatives aux conditions de vie et d'études des étudiants, aussi bien de ceux de Niamey que ceux qui évoluent dans les universités de l'intérieur du pays. Pour bien, mener ces études, nous savons bien que l'étudiant a besoin d'un minimum de conditions, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan logement, transport, des infrastructures académiques et des enseignants ponctuels. Nous commençons tout d'abord, ce euh, forum avec notre premier invité, le tout nouveau secrétaire général euh, du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'université Abdou Moumouni Sita Amidou Djabiri. Bonsoir Sita. Bonsoir, vous allez bien. Bien. Alors, euh, avant d'être élu à la tête de l'Union, vous étiez simple étudiant. Alors, résumez-nous les principales préoccupations de l'étudiant lambda à l'université Abdou Moumouni de Voilà, donc nous vous remercions pour l'occasion que vous nous offrez pour pouvoir euh, venir partager avec l'opinion euh, les questions relatives à l'académie ou sociale de l'étudiant euh, à l'université Arumouni en particulier et dans les autres universités en général. Donc, par rapport aux préoccupations de l'étudiant, je pense qu'on peut les résumer essentiellement comme suit. Il y a des préoccupations d'ordre académique, lié à la question des infrastructures, la question des ressources humaines, euh, enseignants et PAT compris, et également euh, un problème de disponibilité des 10 PAT et enseignants-chercheurs à pouvoir s'exécuter conformément euh, à l'esprit de la charte d'éthique et de déontologie. Donc, euh, un autre aspect sur le plan social, il y a les infrastructures sociales, notamment les infrastructures d'hébergement, les bâtiments qui sont censés loger les camarades. Les bâtiments qui sont actuellement à l'université de Niamey datent pratiquement de sa création. Par conséquent, ces bâtiments sont bondés. Ils ne peuvent plus continuer à pouvoir euh, être, avoir euh, la capacité de contenir le flux sans cesse croissant des étudiants qui nous viennent chaque année. Un autre aspect, c'est la question des transports. Parce que lorsqu'il n'y a pas de bâtiments sur les campus pour pouvoir contenir les étudiants, beaucoup seront amenés à vivre en ville et par conséquent, la loi du transport s'impose. À ce niveau également, on a une vingtaine de bus censés transporter 20 000 étudiants. Nous estimons que c'est une insulte euh, à l'endroit de l'étudiant. Il suffit de voir les conditions dans lesquelles nous sommes transportés. Alors, on vient d'avoir une idée de quelques préoccupations. Nous allons revenir un peu en détail euh, sur un certain nombre de préoccupations que vous venez de soulever. Hmm. Alors, Monsieur Seydou Abdoulaye, je me tourne vers vous. Vous êtes le secrétaire administratif du Centre national des œuvres universelles, c'est nous. Euh, je m'en vais vous demander de nous présenter brièvement ce centre, sa mission, ses, ses, domaines d'intervention. donc, euh, je vous remercie. Le Centre national des œuvres universelles a été initialement créé en 1971 sous l'appellation du Centre des œuvres universelles avec rang du service central donc, euh, du, rectorat. De sa création à l'année 1995, le centre était rattaché au rectorat. De l'université. De l'université, où elle a pris la domination actuelle du Centre national des œuvres universitaires à partir de 1988. Alors, quelle est sa principale mission Donc, la mission, le Centre national des œuvres universitaires euh, poursuit une mission de service public au profit des étudiants bénéficiaires de ses prestations. Donc, à ce titre, il assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière des œuvres universitaires ainsi que la coordination et le contrôle des résidences et restaurants universitaires. Dans cette optique, euh, le centre est chargé, entre autres, d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives aux œuvres universitaires et de promouvoir toutes mesures tendant à permettre une utilisation rationnelle des ressources et des moyens dont dispose le centre, d'effectuer, de commanditer toute étude visant à améliorer ses prestations, de planifier un plan de développement des infrastructures et d'équipements, d'assurer les, les, suivis des infrastructures. Alors, est-ce que, est que je peux savoir, est-ce que les questions de transport, les questions de logement, les questions de restauration sont vraiment sous la coupe de, de, de ce donc, euh, les missions qui sont dévolues au centre. Donc, euh, entre autres, euh, les missions essentielles, c'est d'assurer la question de la restauration, du logement, des transports, de la santé, et de promouvoir le sport et l'écriture est-ce que Est-ce que ce centre est toujours sous, sous la, coupe de la, du rectorat Non, actuellement, le centre est sous la coupe du ministère des Enseignements supérieurs qui assure la tutelle technique et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Alors, quel, quel commentaire faites-vous euh, du résumé bref que notre. Euh, euh, notre, bon, bon, en ce qui concerne effectivement, le volet social, et je partage euh, certaines euh, de ces préoccupations. En ce qui concerne les bâtiments. effectivement, depuis euh, la création de l'université, les, infrastructures n'ont pas suivi donc le flux des étudiants qui arrivent au niveau de l'université. Tout de même, il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts ces dernières années où l'État a construit deux bâtiments. Et il y a le bâtiment N de 300 places, un bâtiment de 100 places, bâtiment P, en plus, il y a le Premier ministre aussi qui nous a instruit de prendre des cités annexes. Actuellement, nous avons quatre cités annexes dans lesquelles on héberge les étudiants. Nous même, mhm. je reconnais que donc euh, ces infrastructures ne sont pas suffisantes pour pouvoir héberger l'ensemble des demandes. Nous allons revenir plus tard sur euh, cette question d'infrastructure. Mais là, je vous propose que nous allions à en région euh, précisément à Zander, pour voir entre autres préoccupations qui soulèvent les étudiants. Notre correspondant à Zander, Ali Keita, a reçu le témoignage d'un étudiant suivi. Présentement, on fait que nous sommes dans une situation vraiment inexplicable. Et concernant la grève répétitive des anciens chercheurs, je suis euh, certain que euh, vraiment l'université de Zander auparavant euh, avait occupé les deux rangs, je me souviens. Et maintenant, pour le moment, ce n'est plus le cas. Et vu la gravité des anciens chercheurs, maintenant on nous a retardés. Ça fait au moins presque quelque chose de quarantaine, à peu près 50 jours qu'on n'a pas dispensé le cours. On a l'habitude juste de manger, se reposer sur le lit. Est-ce qu'on peut mener euh, sa vie euh, comme ça à manger en se reposant Et le second problème est à la non-restauration. On peut toutefois faire quelque chose de 5 jours et à manger un seul repas, toujours le maca, le maca ou bien euh, couscous, couscous. Voilà, vous mangez combien de fois par jour euh, je crois qu'on peut manger plus de trois fois par jour, et ce n'est que le couscous à part le petit déjeuner. Et, et, à midi au moins. Le petit déjeuner, c'est quoi le matin Le matin, euh, c'est du bread avec le lait qu'on partage. On dirait qu'on euh, on est un chat. Et à midi À midi, on prend du maca ou bien du couscous. C'est que ça tout tourne autour de ça. Et le dîner Le dîner, c'est le couscous encore. Et comment est la sauce et ce qui concerne les allocations, le bourse et l'aide sociale, et non pour le problème présentement, et nous attendons et à ce qu'une liste nous vienne de Niamey. Mais jusqu'à présent, la liste n'est pas encore venue de Niamey concernant la bourse. Maintenant, concernant l'affaire du savon où les chercheurs on va faire, on a l'habitude de téléphoner les parents qui sont au village, que ce soit en ville, de nous envoyer. Je crois que et vraiment, c'est du gâchis, je crois bien. On est, là en train, c'est la galère, on est là en train de fatiguer les parents. Et le problème en est qu'on n'est pas encore de dispenser les autres. que le cours, ça passe bien. Je suis certain que, quelle qu'en soit la société, on va essayer de faire aux parents. Vraiment, je suis certain que eh, nous aurons un avenir meilleur. Mais le problème en est que, eh, vraiment, on est là toujours sur les lits, on est là au lit, euh, on mange, on se repose. On peut pas mener la vie comme ça. Alors, vous venez d'écouter là le témoignage euh, frappant d'un étudiant de l'Université des Anders. Et, je m'en veux vers vous, aussi Hamidou Jabiri. Euh, nous venons d'écouter ensemble donc, euh, cet étudiant. un petit commentaire avant de revenir sur la situation alimentaire ici à l'Université de Niamey. Un petit commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Voilà, donc je l'ai écouté avec intérêt. Mais moi, tout ce qu'il a eu à dire ne m'étonne guère parce que c'est les mêmes situations pratiquement que nous sommes en train de vivre dans pratiquement toutes les universités du Niger, tout simplement parce que les politiques opposent un, mépris, euh, une certaine insouciance, une certaine indifférence vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Donc euh, toutes les conditions qu'il a eu à décrites, moi je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre l'université de Zender et l'université de Niamey. Euh, nous les sommes en train de les vivre également. Est-ce que vous voulez dire que, est-ce que les, étudiants ici à l'université de Niamey, est-ce que euh, euh, les étudiants sont bien nourris en quantité en qualité euh? On ne peut pas dire qu'ils sont nourris en quantité et en qualité parce que je voudrais vous dire que le problème principal au niveau de la restauration, c'est que d'abord les restaurants n'a pas la capacité de contenir les flux d'étudiants qui viennent. Les restos, rien les chefs service restaurants me disaient que sert actuellement trois fois qu'il ne doit servir. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la qualité. Un autre aspect, les étudiants actuellement, on prépare les repas à, travers le bois de chauffe. C'est vrai, il y a quelques marmites électriques, mais on ne peut pas préparer avec du bois de chauffe. dans les contextes du XXIe siècle, à, à 20 000 étudiants, pour pouvoir parler d'une certaine qualité. Et encore un autre aspect, euh, l'hygiène reste à désirer et le fait que le personnel reste insuffisant, là également c'est un problème parce que tu vas trouver une seule dame avec cinq marmites à sa charge à elle seule, là aussi c'est un problème. Par conséquent, on ne peut pas parler de la qualité. Dans les universités qui se respectent, il y a non seulement la capacité des restaurants, mais aussi le personnel suffisant et aussi les matériels électriques qui puissent permettre à ce que le plat soit de qualité que le plat soit également proposé en quantité. Il y a des menus dans les universités qui, qui, se respectent, je le dis bien. On peut proposer trois menus pour un, par, par repas. Et l'étudiant part au niveau du plat qui lui convient. Voilà ce qui se passe ailleurs. Nous allons revenir à vous. Le temps de voir avec notre <laughs> second invité, Monsieur euh, Seydou Abdoulaye. Euh, vous êtes donc au niveau, vous êtes secrétaire administratif au niveau du Centre national des œuvres universitaires. Vous avez euh, notamment cette question de restauration sous, sous votre coupe. Alors, expliquez-nous comment ça se passe la gestion de ces restaurants et comment, comment vous expliquez ces, ces manquements que qu'il vient de, soulever. Donc, euh, je vous remercie, mais quand même, je dois réagir par rapport à, l'élément qui vient de passer. Allez-y, oui, allez-y euh, rapidement. bien entendu, au niveau des engagements, je pense que cette interview a été faite euh, il y a un peu longtemps. Pas récemment. Puisque actuellement, je crois que la situation est en train d'être. c'est aujourd'hui même, je vous, je vous, le garantis, c'est aujourd'hui même. D'accord. Bon, et tout de même, il faut notifier que dans la réaction du secrétaire général, il y avait un certain nombre de contre-vérités par rapport au fonctionnement du restaurant. Le restaurant de l'université d'Enamé actuellement, il assure pleinement sa fonctionnalité, donc euh, en assurant le minimum aux étudiants. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas eu d'interruption dans les préparations des différents menus qu'on a, a, donc qu'on assure aux étudiants. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai, et il y a le problème des capacités d'accueil, puisque c'est un restaurant qui datait de années 90 où on avait moins de 10 000 étudiants actuellement, on prend en charge 20 000 étudiants, il y a un problème d'infrastructure, ça je le reconnais, mais par rapport aux moyens, et surtout les moyens de préparation, le, bois n'est pas utilisé comme il le dit, on a des marmites à gaz et des marmites électriques. Le bois, il est utilisé uniquement pour la préparation de la viande. Alors, et, là, euh, euh, c'est quoi bah, Ce qui concerne aussi la qualité. Le menu. aussi, et je pense bien que aujourd'hui, malgré ce qu'il vient de le dire, et les étudiants ne se plaignent pas beaucoup par rapport à la qualité, puisque les plats qu'on prépare, ils le mangent, le plat qu'ils prennent, ils, la ramènent les assiettes vite. Cela témoigne de la qualité des plats sert. Est-ce que c'est parce que les gens ont tout simplement faim et Je pas pense le choix. que quand tu vois l'étudiant nigérien, tu ne peux pas dire que c'est un affamé. Tous tels qu'ils sont vraiment, et ils sont gros, ils, vivent de la santé, on prend en charge euh, vraiment du point de vue social tous leurs besoins. Est-ce que, vous pouvez nous donner quelques exemples de menus qui sont servis euh, Le matin, par exemple, quand vous prenez le lundi, on, on fait la pâte alimentaire, c'est soit le maca ou la spaghetti. Le soir, c'est le riz et à la sauce. Le lendemain, le, le, mardi, donc, on fait le riz au niébé. Le soir, on fait la pomme de terre. Le mercredi, on fait donc le riz au gras. Le soir, on fait eh, lignan, Le jeudi, on fait couscous. Le soir, on fait donc euh, le riz à la sauce. Le vendredi, donc on fait eh, la spaghetti. Donc c'est un plat qui est régulier, c'est réparti. C'est réparti. Comme ça. Le soir, on fait la pomme de terre. Le samedi, on fait le riz au gras, le soir on fait maca, le dimanche on fait igna, le soir on fait le riz à la sauce. Je crois qu'on n'a jamais donc raté le menu et qui est prévu. Et le personnel qui est chargé de, de, cette, de la préparation Par rapport au personnel, et je lui concède un, une insuffisance du personnel du fait que le aujourd'hui, nous avons vraiment une insuffisance de moyens par rapport aux charges qu'on supporte. Puisque ça fait presque deux ou trois ans, on nous reconduit le même budget alors que les charges augmentent du fait de l'augmentation de plus chaque année des étudiants. Donc, franchement, à ce niveau, on a des petites difficultés, mais quand même, on arrive toujours à être au rendez-vous par rapport aux besoins des étudiants. quelle autre difficulté le, le, CNU a par rapport à la gestion de, ces Donc, euh, à, on avait parlé du problème de transport, et en a évoqué. Effectivement, euh, aujourd'hui, du fait euh, de l'insuffisance de la capacité d'accueil, on est obligé de transporter les étudiants de tous les coins de, la ville de Niamey pour les amener au niveau non, des Non, je veux dire par rapport à la question de la restauration. Bon, par rapport à la restauration, actuellement, la difficulté qu'on rencontre même à Zender, c'est lié au fait que les fournisseurs ne sont pas payés, ce qui fait qu'il y a une interruption de les livraisons. Et cela, ce n'est pas la faute aux, aux différents centres. Au niveau et des, des trésoreries du trésor national où il y a des difficultés de trésorerie qui font en sorte que les fournisseurs ne sont pas payés à temps. Il y a des impayés, ils ont des factures qui sont en instance, qui ne sont pas pris, qui ne sont pas liquidées, ce qui fait qu'ils ils ont arrêté pour certains de livrer. C'est ça qui explique ce qui se passe au niveau des, des alors, je, me tourne vers vous, euh, Sita Hamidou. Euh, on vient de voir avec Sedou Seydou euh, quelques menus qui sont servis. il y a un programme bien déterminé. Alors, qu'est-ce que vous vous reprochez dans ce, menu voilà, en fait, je ne voudrais pas m'inscrire dans une logique frontale avec mon ami Seydou qui est devant moi, mais je voudrais, quand il parle de compte-vérité, préciser un certain nombre de choses. J'ai dit qu'on utilise les bois de chauffe pour préparer. Et lui-même, il l'a notifié. C'est ça le débat. On utilise les bois de chauffe. Si on peut utiliser les bois de chauffe pour préparer la viande, on peut également utiliser des marmites électriques pour préparer la viande. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, par rapport à la qualité dont ils vantent le restaurant d'avoir fourni aux étudiants, aux étudiants, si vous voulez. Mais à partir du moment où je vous dis que le restaurant sert trois fois qu'il ne doit servir, on ne peut pas, dans cette posture, parler des qualités Mais quand les camarades sont obligés eh, de pouvoir consommer les plats, imaginez quelqu'un qui vient de Difa, de 1400 km, qui, vient d'Arlit, qui vient de. À la, à la fin du trimestre, il n'a même pas sa bourse il ne peut que se rabattre sur les restaurants. C'est une question vitale. Donc quand on lui présente les plats, il n'a pas le choix que de consommer ces plats voilà les débats qui se posent. Alors nous allons avancer, nous allons partir à Tawa cette fois-ci et pour voir euh, là-bas les préoccupations qui sont soulevées, entre autres les problèmes de transport et de logement. écoutons Amadou Garba Mahmoudou, membre du comité exécutif de l'USN Tawa. Il est au micro de notre correspondant à Tawa, Abdoulaye Ossou. Il y a d'un point de vue académique le manque en réalité des infrastructures académiques, les salles de cours ne peuvent plus faire l'affaire. il y a un nombre pléthorique des étudiants et c'est ce qui est en train de conduire l'année académique vers une irrégularité que nous connaissons de l'autre côté de l'université de Niamey. Alors à ce problème traditionnel vient se greffer le problème de la grève des enseignants. D'un point de vue académique, sincèrement, l'université, elle est vraiment un peu à terre l'association elle est chaotique. Vis-à-vis de l'association euh, sociale, à ce niveau, il y a euh, ce péril d'interruption de la fourniture au niveau euh, du restaurant. Il y a, d'un point de vue de transport, une promesse faite par le gouvernement de doter les universités de l'intérieur du pays chaque année d'un bus, ce qui ne fut pas fait jusqu'à présent et que Vraiment, les étudiants n'arrivent pas à être transportés, surtout à temps. Il y a un nombre pléthorique de camarades nous le savons, nous avons la faculté de droit d'économie et de gestion. Nous avons une, huit résidences universitaires, dont une seule au niveau du campus universitaire. Actuellement, nous sommes avec les responsables du centre en train de créer les conditions de chercher d'autres et résidences universitaires au regard vraiment de ce nombre pléthorique, mais en vain jusqu'à preuve du contraire. Alors, au niveau de l'infirmerie, jusqu'à présent, nous n'avons pas eh, une ambulance. Euh, Amadou Garba, Mamoudou, membre du comité exécutif de l'ISN Tawa, il est au micro d'Abdoulaye Aoussouk. Amidou, Sedou, euh, Amidou Sita Djabiri, un commentaire sur euh, sur les propos de cet étudiant de l'Université d'Ottawa. Voilà, donc euh, il a surtout notifié euh, la question des bus. Effectivement, le président de la République a pris un engagement de doter chaque année les différentes universités euh, trois bus, de trois bus chaque année. Mais souvent, souvent on a des difficultés à pouvoir, en tout cas, avoir ces trois bus là chaque année parce que euh, l'exercice qui vient de finir au niveau de Lyon en particulier, nous n'avions pas eu les bus dont il a eu à parler. Donc il y a un problème euh, de, respect d'engagement, de non-respect des engagements pris de la part des autorités politiques qui se posent. Ici, ici à l'université de Niamey, comment se, présente le, problème de transport Est-ce qu'il y a assez de bus ou moins de bus euh? En fait, ce que je voudrais vous dire, par rapport à la question des transports, je voudrais vous inviter pour voir de vous-même. Euh, les camarades sont entassés dans les bus comme des sardines. Un bus, normalement, doit contenir au maximum 70 camarades. Mais on met plus de 100, 120 camarades dans chaque bus. Alors la faute à qui Au transporteur ou mais euh, pas au transporteur. Pas au transporteur. La faute, c'est plutôt à l'État. Parce que c'est l'État qui n'investit pas les moyens nécessaires pour pouvoir doter les parcs automobiles d'ici nous des bus suffisants. C'est ça le problème. Et du fait de l'état d'entassement dans les bus, les bus ne durent pas. Un bus vient, un an, deux ans, trois ans, il est au garage. Parce que, effectivement, toujours, il y a l'état de surcharge qui fait que les bus se dégradent tout de suite et maintenant. Donc, le problème, ce n'est pas plutôt à ce niveau, au niveau du nous, mais au niveau de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien à l'État de doter chaque université de 10 bus dans un pays où on exploite l'or, l'uranium, etc., etc. Ça ne coûte rien. Parce que c'est les futurs cadres qui sont en train d'être formés dans les différentes universités. Il faut qu'on crée les conditions de leur assurer un minimum pour que demain, ils puissent servir ces pays et l'inscrire dans les cadres de concert des nations. Alors, M. Seydou Abdoulaye, euh, secrétaire administratif euh, du Centre national des œuvres universitaires, dites-nous euh, à l'heure actuelle, l'université dispose d'à de, peu près combien de bus Actuellement, nous disposons de d'au moins 22 bus qui sont opérationnels, donc qui transportent les étudiants euh, des, axes, au niveau des axes, donc des quartiers qu'on appelle axes. Euh, dans tous les quartiers de Niamey, on a donc euh, des axes où on prend les étudiants euh, très tôt pour les amener au niveau des facultés pour prendre leurs cours. Alors, oui, allez Donc, effectivement, ce qu'il a souligné, l'insuffisance des bus et CRIA, puisqu'on remarque effectivement les bus, les, bus, chaque fois, ils sont bondés des étudiants, ça dépasse leur capacité. Et je le rejoins en lançant un appel donc à, l'État de continuer l'effort qu'elle a l'habitude de faire, puisque ça fait presque quatre ans, chaque année, donc en termes de rectificatifs, d'autres universités de Niamey, de trois nouveaux bus et des, universités régionales, chacune d'un seul bus. C'est ça l'engagement. Mais cette année, très malheureusement, peut-être du fait de difficultés financière que connaît l'État n'a pas pu honorer cet engagement. Mais j'ose espérer que prochainement, actuellement, les choses vont redevenir à la normale et on va continuer à nous fournir ces bus pour pouvoir supporter donc ce problème de juste une transport. juste une question, est-ce qu'il euh, y a une manière euh, que vous faites pour pouvoir utiliser à bon escient ce qui est déjà là, les de bus Oui, effectivement, nous sommes, euh, on a un service dédié au transport qui s'occupe donc des réparations de ces bus on fait le suivi donc euh, de ces bus à travers les les, réparations. On achète des pièces détachées, on, achète, achète donc des pneus. On, on, assure leur entretien pour éviter à ce que ces bus-là ne puissent tomber en panne et qu'on ait des problèmes de transport des étudiants. Actuellement, nous sommes inscrits dans la logique de faire en sorte que chaque étudiant puisse arriver à la fac le matin très tôt, après la fac qu'on puisse le ramener chez lui. Mais aucune mesure pour, pour lutter contre cette surcharge euh, qui, euh, comme l'a dit euh, Sitamido, a un effet sur, le, la durée effectivement, et sur la sécurité. Le problème qui se pose est l'insuffisance des bus fait en sorte qu'on est obligé donc de suivre ce cours. Puisque si on dit qu'on va prendre du sur juste le nombre exact des 10 étudiants, beaucoup d'étudiants risquent d'arriver en retard du fait de l'insuffisance des bus. Mais si on a assez de bus, au lieu de mettre deux bus par, exemple sur un axe, on peut mettre quatre pour pouvoir transporter les étudiants en même temps. Et ce problème-là, vraiment, il est réel. Je le partage avec lui. Merci. L'une des nouvelles universités créées, euh, donc figure l'université de Tilaberi, qui connaît aussi quelques difficultés. Alors écoutons à ce sujet Moussaïdi Abdourazak, secrétaire général de l'Union des étudiants de l'université de Tilaberi. L'université de Telavéry, depuis sa création, avait atterri dans de nombreuses difficultés qui l'assaillent aujourd'hui encore. ces difficultés sont notamment l'éternel problème d'infrastructure, l'insuffisance des personnels enseignants en qualité et, en quantité, du manque de laboratoires et des ateliers pour rendre crédible et solide la formation académique. Et à tout cela, bien s'ajoutent les fameux systèmes LM2 qui, ces objectifs sont en contradiction avec ses explications, avec ses applications du MOS, du fait de la non-maîtrise par l'administration aussi de certains enseignants qui évoluent certainement dans une confusion un peu totale, et ce qui fait qu'en en sorte que ce système ne fait que faire des ravages. Euh, et sans compter euh, par rapport à cette situation académique, euh, la situation aujourd'hui sociale est encore quelque part effrayante et moribonde. Et depuis, ce qu'il faut noter, depuis que les étudiants ont mis leurs pieds à l'université de Tlaviri, ils sont logés dans des dans des infrastructures qui ont communément nous appelé les stades et d'autres aussi à l'arène euh, dont on connaît aisément euh, par rapport à la situation. Et ce qu'il faut aussi retenir que cette situation est née depuis à travers une insuffisance ou la non même l'existence de notoire des bâtiments. De bus et aussi la maigre des un premier temps, maigre euh, enveloppe que les étudiants déjà recevaient par rapport à l'enveloppe boursière et aussi soldat derrière qui ne permet pas de couvrir leur vision de vie et d'études. Aujourd'hui, les étudiants à l'Université de Tel Aviv sont en train de vivre dans une situation eh, précaire. Et encore, nous constatons un silence eh, complice du cimetière des, des, des, responsables académiques et aussi de ces eh, responsables gouvernementaux donc il ignore même l'existence de cette université. Le problème du bourse, ce qu'il faut noter, c'est le retard de ce paiement, même si quelque part on constate que peut-être avec les disciples ça va se passer, mais aujourd'hui, depuis eh, on n'a pas payé les bourses de novembre, octobre et décembre. Actuellement, nous sommes là en train de l'atteindre, ça fait déjà, on est dans le deuxième trimestre. Moussa Idi Abdourazak, secrétaire général de l'Union des étudiants de l'Université de Tilaberi, euh, il était interrogé par euh, notre correspondant Abdoulaye Mamoudou. Alors, euh, Sita Hamidou, vous venez de suivre avec nous cet étudiant de l'Université de Tilaberi, l'Université de Tilaberi qui fait partie des dernières universités créées à l'image des autres régions, Agadez, Tawa, Dosso. Mm. Alors, un commentaire sur, ces problèmes d'infrastructure euh, soulevés, euh, notamment hébergement et aussi salle de hmm. cours. Voilà, donc euh, mon impression par rapport à ce qu'il vient de décrire également, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui dans ces pays, on est plus enclin à poser des actions de charme, plutôt qu'aller véritablement à poser des actions concrètes qui puissent servir des bases de développement. Qu'est-ce que vous appelez les, actions, les actions charme. Lorsqu'on crée, on s'est dit qu'on va créer des multitudes d'universités. Il faut qu'on crée les conditions d'assurer un principe. Le principe, c'est celui de la disponibilité. On ne peut pas créer des universités comme ça sans pour autant assurer qu'on crée les conditions de recruter des enseignants-chercheurs, des PAT, créer les conditions également de construire des infrastructures qui puisse contenir. Aujourd'hui, ils disaient qu'ils sont habités dans l'arène. Ça n'a pas de sens. Une université où les étudiants sont logés, ils n'ont même pas de bâtiments. Là où ils sont logés, il n'y a pas d'infrastructures, d'amphithéâtre qui sont construits pour la cause. Ça veut dire qu'on s'est contenté de créer sur papier une université, mais qu'en réalité, sur le terrain, rien n'a suivi en termes d'accompagnement. Et c'est ça le mal. Est-ce qu'ici à Niamey, à l'université de Niamey, vu euh, ces problèmes d'infrastructures, de, de, salles de cours, d'hébergement Je puis vous dire que nous sommes également concernés par cette situation. À l'heure actuelle, il y a des camarades qui passent leur nuit dans les mosquées. Et ce n'est pas de lui qui va me dire le contraire. À l'heure actuelle, c'est sous des escaliers que les camarades passent de leur année entière. Hein. ils barricadent des rideaux, des cachemires pour passer des années. Ils mettent des lits et c'est là-bas qu'ils passent leurs années. Dans ces conditions, comment vous voulez à qu'on puisse eh, présenter un résultat académique probant Un autre aspect, il y a des amphithéâtres où, je vous assure, les camarades s'arrêtent à la porte. À la porte à la rentrée des amphithéâtres pour pouvoir prendre Parce que l'amphi euh, ne peut pas oui, contenir. ne peut pas contenir. Je te donne un seul exemple. L'année passée, par exemple, toutes ces dernières années, à la médecine, il y avait un amphi de 500 places. L'amphi 500 places était scindé en deux pour servir deux sections, L1 et L2. Et chaque section dépasse 500 étudiants. De telle sorte que les étudiants étaient obligés de se réveiller à 5h, 4h, 5h du matin pour partir à la fac. C'était une réalité. Heureusement, l'année passée, en tout cas au niveau de cette faculté, on a pu réceptionner un amphi de 1000 places qui date de 2010, alors qu'il est, censé finir en deux ans seulement. Donc voilà, euh, ces problèmes-là, on les vit également toujours à notre niveau en tant qu'étudiant inscrit à l'université de C'est Seydou Abdoulaye, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces problèmes soulevés, ces problèmes d'infrastructure Oui, euh, le problème euh, d'infrastructure, je crois que on ne peut pas le dire. assez. les infrastructures sont insuffisantes au niveau de nos universités, puisque ça ne suit pas les flux, comme je l'ai dit. Mais pour ce qui est du cas de l'université, des nouvelles universités créées, je pense qu'il y a un programme au niveau du gouvernement par rapport à la création de ces ou à la construction de ces infrastructures, je pense que c'est une question de temps. Il y a eu, et je pense, des études qui ont été faites actuellement au niveau du ministère. Je n'ai pas la dernière euh, évolution de la situation, mais je suis sûr qu'ils sont appuyés d'œuvre pour essayer de doter ces nouvelles euh, universités des infrastructures au moins euh, de départ et pour le fonctionnement de ces universités-là. Que, ce soit au niveau de, du ou aussi bien qu'au niveau des universités je partage avec lui, il y a un problème d'insuffisance des capacités d'accueil. Mais au niveau de l'Université de Niamey, nous sommes en train d'aller vers la réception. Euh, on va essayer donc de prendre davantage des cités annexes pour essayer de limiter donc euh, cette insuffisance. Par précisément, je voudrais préciser une chose. Depuis 2014, il y avait eu la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle cité de 1200 places. Il y avait eu également, oui, les dépôts pour la construction d'un amphithéâtre 1000 places. Ces questions ont été oubliées à l'heure actuelle. C'est les margouillas qui font l'air fête sur les terrains précis. Euh, euh, réagir. Euh, donc, par rapport au projet, là, c'est un projet PPP. Ça veut dire Ça veut dire le partenariat public-privé. C'est le ministère qui avait initié la construction de 1200 places au niveau du campus. Mais très malheureusement, dans une première démarche, il y a eu un échec. Mais actuellement, le projet est en train de prendre forme. Et je pense qu'on nous a fait savoir que ça va aboutir. Et pour l'amphi, 1000 places eh, C'est le même euh, projet. Ça, concerne, euh, aussi bien l'aspect social et l'aspect académique. Et on sera demain dans les autres universités, les trois universités, donc Maradi, Tawa et Alors, nous allons avancer c'est euh, sur un autre point, notamment le plan académique. Comment se passe le, déroulement des cours, les examens, les délibérations Qu'est-ce qui inquiète le plus euh, les étudiants euh, dans leur parcours à l'université Je pose toutes ces questions, je vous pose toutes ces questions, Monsieur Sita Midou, vous venez d'être récemment euh, élu donc à la tête du comité exécutif de l'INU. Alors rapidement, comment se présente la, situation académique par rapport à la situation académique, elle n'est pas tout aussi différente de la situation sociale. Quand vous prenez aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des étudiants, c'est le retard académique qui est inscrit en règle d'or à l'université de Yaoundé. Cela est dû à quoi Cela est dû à beaucoup de facteurs. Premièrement, le manque d'infrastructures. Deuxièmement, le manque de ressources humaines. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants-chercheurs pour pouvoir être dans la position d'encadrer les étudiants à temps voulu. Un autre aspect, les enseignants-chercheurs également, qui sont recrutés pour pouvoir enseigner les étudiants, ils ne font pas leur travail parce qu'ils ils s'affairent dans les domaines politiques. Ils préfèrent être dans des cabinets à la présidence, à la primature, à l'assemblée, etc., etc., plutôt que de vouloir venir enseigner les étudiants, c'est-à-dire ce pourquoi ils sont initialement payés. Voilà le problème principal. Donc, à ce niveau, à ce niveau, eh, comme problème encore qui traverse et qui menace l'étudiant, c'est l'évaluation. On pense qu'elle est tout simplement arbitraire. Hier encore, on a sorti un PV où plus de 500, sur plus de 500 étudiants ayant composé, il n'y avait que 4 qui avaient validé à la faculté des sciences économiques et juridiques. Nous estimons qu'à ce niveau, il y a un problème de pédagogie. Parce qu'on n'enseigne pas que du savoir, on enseigne du dégât aussi. Les enseignants eux-mêmes, ils doivent faire à quel pas? pour savoir si est-ce qu'eux-mêmes ils ont la pédagogie nécessaire de pouvoir transmettre les savoirs pour que les étudiants soient dans la position de valider leur matière. Parce qu'on ne peut pas dire que plus sur plus de 500 étudiants, 4 seulement puissent être dans la position de valider à ces niveaux. Nous, à un moment, quand on gérait au niveau du comité exécutif de l'UNO, nous avions eu à faire une proposition qui a été prise en compte. Mais l'effectivité, et encore, laisse encore à désirer. Alors, je vais vous proposer, désolé de vous couper, il ne reste que 10 minutes, alors qu'il nous reste encore quelques points à soulever. Je vais vous proposer d'écouter euh, donc Nabala Adré, qui est secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, section de Niamey avec, qui euh, donc, nous avons eu un entretien sur notamment ces grèves que vous venez de, de soulever. Les enseignants qui sont régulièrement recrutés dans les différentes universités qui ont leur activité principale euh, dans les universités publiques, je pense que ça quitte euh, de leurs obligations. Mais au cœur donc de ce lot, il y a ceux qui sont connus euh, dans les services publics. Et sur ce plan, là aussi, les textes sont clairs. Et un certain nombre des obligations définies conformément à cette situation. Mais dans l'ensemble, je pense que nos, militants s'inquiètent de leurs obligations. Euh, euh même s'il y a indisponibilité, je pense que euh, elle ne peut pas noyer l'ensemble des efforts globaux de nos, de nos collègues chercheurs. La seule préoccupation, en dehors de l'activité principale euh, qui lie l'enseignant à son université publique, les textes aussi prévoient qu'ils puissent prévaloir leur savoir à Et ça, c'est autorisé par les textes. En dehors de ça, je pense que bon, c'est difficile d'imaginer que les gens font autre chose. Euh, ça peut prendre la forme du commérage. Sinon, là où on peut vérifier, c'est ceux qui ont été nommés. Et là, les textes sont clairs, il y a un certain pourcentage des obligations qui le sont accordées et pour qu'il n'y ait pas de conflit entre l'activité principale et l'activité euh, donc en termes de services euh, au profit d'autres euh, d'autres d'autres d'autres zones. Autre aspect, le fait que pour faire des examens et pour publier les, résultats de ces examens, c'est ce retard qui est préjudiciable souvent aux étudiants. Moi, je pense qu'il y a des efforts dans il y a des efforts dans ce sens. Quand je prends les, facs qui qui sont en but dans cette situation, c'est notamment la FCH euh, mais je crois euh, l'administration rectorale, à travers le vice-recteur chargé des affaires académiques, a fait des efforts vraiment pour que ces fasse, euh, au rendez-vous. Sinon, de façon globale, je crois l'acquittement des obligations académiques est, satisfaisant. Qu'est-ce qui expliquerait ce retard Parfois, c'est un problème d'ordre infrastructurel. Et les salles sont insuffisantes. ça peut être ça aussi, il ne faut pas perdre de vue aussi les sorties que vous ne retenez pas de nos chers étudiants. Euh, des débrayages, euh, vraiment, euh, quand on fait la forme aussi, ça peut constituer une source de préoccupation susceptible d'aboutir à quelques retards légers. Alors, vous venez d'écouter avec nous donc Nabala Adré, qui est le secrétaire euh, général du SNEX, euh, section de Niamey. Je m'en vais vous demander, Seydou Abdoulaye, de, si vous avez quelque chose à ajouter. il y a un point qui, attire votre attention par rapport à bon, euh, point précis, de, chevauchement de de retard. Au problème de chevauchement de l'année, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je ne suis pas de domaine. Mais quand même, je peux apprécier, je m'inquiète de voir que les années dépassent euh, le temps normal. Et vraiment, je partage le souci des étudiants de ramener les, années euh, vraiment dans un intervalle euh, relativement acceptable pour pouvoir ne pas faire en sorte qu'il y ait peut-être deux, deux années qui, ou trois années qui, qui, font en sorte que les, euh, les étudiants se mettent à retard. Alors, euh, pour un euh, cycle de deux ans. Merci. Sita, ouais. Sita Amidou, rapidement, vous avez écouté donc les, les, les explications données par Nabola, Rapidement, une réaction Voilà. <coughs> je l'ai écouté en tant qu'enseignant et en tant que SG également du en tant que SG du SNEX, je trouve que lorsqu'il parle de commérage, euh, lorsque aujourd'hui les étudiants légitimement parlent du retard académique ou même l'opinion, euh, je pense qu'il s'est inscrit dans une certaine logique où il doit jouer nécessairement l'avocat du diable. Il doit lui-même, lui-même se défendre et défendre euh, vaille que vaille les enseignants et chercheurs. Mais je voudrais vous dire une chose par rapport au comportement des enseignants et chercheurs. surtout quand il parle de commérage tout le temps, quand on abordait les autorités académiques pour dire que voilà, les enseignants ne font pas leur travail, ils nous disent mais où sont les preuves À un moment, on était obligé de nous asseoir pour pouvoir faire un document écrit dans lequel on a eu à noter les enseignants qui ne s'exécutent pas conformément à la charte d'éthique et de déontologie. Par exemple, je donne un exemple. Il y avait un enseignant qui avait fait 7 mois avec 15 copies. 7 mois avec 15 copies l'année passée. J'ai les documents à ma possession parce que j'étais le secrétaire chargé de presse de l'exercice syndical 2014-2015 et nous avons des preuves. On a fait les documents. À un moment, ils ont dit même qu'ils vont nous amener devant les tribunaux. On a dit, mais bon, amenez-nous devant les tribunaux. Si même nous, nous-mêmes, nous n'allons pas vous amener également devant les tribunaux. Parce qu'on verra véritablement qui subit les inconséquences de l'un ou de l'autre. Alors, Sita Hamidou, euh, euh, vous êtes le nouveau élu. Je voudrais, euh, après que nous ayons fait le tour quand même de, certaines préoccupations des étudiants ici et ailleurs, qu'est-ce que, qu'est-ce que, à votre avis, tout le monde, les différentes parties prenantes, chacun ce que le concerne doit, doit faire pour que l'étudiant nigérien puisse étudier dans de meilleures conditions Voilà. Bon, pour que les étudiants puissent étudier dans les meilleures conditions, je pense qu'il faut d'abord une volonté politique. Et la volonté politique doit se décliner à travers l'investissement à l'Université de Niamey. Cet investissement doit nous permettre d'avoir des infrastructures suffisantes, d'avoir des bus suffisants, d'avoir des personnes et ressources également suffisantes. Et également au niveau des enseignants et chercheurs, c'est une question de respect également des textes tout simplement. On n'a pas un problème de textes, on a un problème d'hommes et c'est le cas au Niger, et c'est le cas à l'Université de Niamey. Si les enseignants-chercheurs vont un instant swapper, s'incliner devant les textes, je pense qu'à pouvoir respecter ce que disent les textes, il n'y aura pas de problème. Maintenant, au niveau du CENU, également, le, le, président de la République l'a promis aux Nigériens qu'il va remettre les Nigériens au travail un autre problème, c'est que il y a un problème de disponibilité, sinon d'acquittement en termes d'obligations au niveau des agents nous. Il y a beaucoup qui ne font pas leur travail. Ceux qui doivent, par exemple, entretenir les bâtiments, il y a beaucoup qui boycottent ce qu'ils doivent faire, les heures normales qu'ils doivent faire. Espérons, espérons qu'ils sont à l'écoute qu'ils ont écouté. Pour améliorer, s'il vous plaît, rapidement parce qu'il nous reste qu'une minutes. Voilà, donc, 15 euh, secondes. Donc, ce que j'ai dit, pour améliorer les prestations sociales surtout, culturelles et sportives au niveau de l'Université du Monde de Niamey, il faut créer les conditions de rehausser le budget du nous qui est de 2 milliards uniquement depuis des années. C'est Abdullah, il faut euh, rehausser votre euh, budget pour que vous puissiez. Effectivement, c'est un problème de moyens. Si nous avons assez de moyens, on va pouvoir vraiment accomplir notre mission valablement au profit des étudiants. Merci à tous. C'est ici que prend fin le forum du studio Kalangou de ce soir. J'étais en compagnie de Sita Amidou Diabiru, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Yenoun et Seydou Abdoulaye, secrétaire administratif du Centre national des œuvres universitaires. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence pour une autre édition qui sera consacrée à la question des réseaux sociaux. Au revoir. うん。